le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey. Chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure du forum du studio Kalangou diffusé chaque jour grâce à notre réseau dynamique de 38 radios partenaires couvrant toutes les 8 régions du Niger la protection des victimes des conflits armés, quelles mesures et obligations impose le droit international humanitaire DIH aux parties en conflit C'est le thème de votre émission de dialogue sur des questions d'actualité ou de société, le forum du studio Kalangou de ce jour comme nous l'avons déjà vu dans un des forums précédents, le droit international humanitaire DIH peut être compris comme étant un ensemble de règles de droit qui, pour des raisons humanitaires, cherche à limiter les effets néfastes des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au combat et restreint les moyens et méthodes de guerre. Mais au fond, que signifie une population civile Que signifie un conflit armé quels sont les acteurs d'un conflit armé Que dit le droit international humanitaire, DIH, sur la protection des civils. Comment cette protection est-elle assurée Qui est censé la garantir quand les belligérants ne respectent pas les principes prévus par le DIH Est-ce que les forces de défense et de sécurité d'un État FDS sont obligées de les respecter Que dit le DIH à propos de la protection des biens pendant une situation de conflit armé dans une situation de conflit armé, quels sont les différents signes distinctifs ou les emblèmes que peuvent porter certaines personnes pour être protégées, que disent les conventions de Genève spécifiquement pour le cas des humanitaires. En dehors de ces personnes, il existe aussi d'autres qui peuvent subir les affres d'un conflit armé, comme les journalistes. Une fois sur le terrain, quels signes distinctifs peuvent porter ces personnes en vue de leur protection pour répondre à toutes ces questions, nous avons dans ce studio le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Press DH, Alfred Goubadier. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel. Et la responsable de la communication du Comité international de la Croix-Rouge, CICR au Niger, Madame Kadeya Abdou bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Alfred Goubaye, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme Gaza Press DIH DH pour euh, commencer comment on définit une population civile. Merci euh, au studio Kalangou pour euh, ce privilège que vous nous donnez dans la diffusion du droit international humanitaire et des droits humains au Niger. Alors, relativement à la question des civils, qui sont des personnes protégées en période de conflits armés, les conventions de Genève, ou le droit humanitaire, si vous voulez, dans son ensemble, considèrent qu'on a en face des personnes civiles quand il s'agit des personnes qui ne participent pas au combat. Parce que dans un conflit armé, vous avez des acteurs en présence. Donc, on exclut ou bien on considère comme étant une personne civile, une personne qui ne prend pas part au combat. Mhm. Donc voilà, si vous voulez, pour être plus bref, ce qu'on n'entend pas, euh, personnes civiles. Ce sont des personnes qui ne participent pas au combat. Mhm. Mais la situation de conflit armé même, euh, qu'est-ce que ça signifie Alors, euh, merci de poser cette question. Alors, il y a conflit quand euh, des acteurs prennent les armes et s'affrontent entre eux. Et parmi ces, acteurs-là, on peut avoir, si vous voulez, l'armée régulière d'un État euh, ou, bien des groupes armés organisés sur le territoire d'un État qui luttent pour une cause bien déterminée, ou bien, si vous voulez, des populations elles-mêmes qui, au nom de certaines revendications telles que le droit à l'autodétermination, prennent les armes. Mhm. Et donc, vous voyez, on a un conflit lorsque tous ces euh, acteurs ou toutes ces personnes s'affrontent entre elles là, nous sommes en face du conflit. Mais le conflit peut revêtir plusieurs euh, formes ou plusieurs caractères mhm. selon qu'on a un conflit armé interne ou un conflit armé euh, international. Mhm. Donc pour l'instant, je me limiterai tout simplement à dire que nous avons un conflit lorsque des acteurs s'affrontent entre eux, notamment des acteurs étatiques, par exemple l'armée régulière d'un État qui affronte euh, un groupe armé organisé sur son territoire, ou bien même quand des populations prennent les armes et affrontent une armée régulière d'un État au nom d'une revendication quelconque. Justement, quels sont ces acteurs euh, qu'on peut trouver dans une situation de conflit armé Donc, mm. dans un conflit armé, on a premièrement l'armée régulière d'un État, mm-hmm. puisque par vocation, euh, l'État, pour assurer sa sécurité à l'intérieur de son territoire, est appelé à mettre en place une armée qui a pour vocation de faire la guerre afin de sécuriser les frontières de l'État ou mhm. bien d'assurer l'intégrité de l'État. Donc, dans une guerre, vous avez comme acteur, premièrement, l'armée régulière d'un État. Mhm. Et deuxièmement, un État n'est pas appelé à aller en guerre sans cause. L'État va en guerre quand souvent il y a des objectifs ou bien quand il est attaqué. Et dans un conflit armé, vous pouvez avoir des personnes qui prennent les armes contre l'État. Mhm. Et ces personnes qui prennent les armes contre l'État peuvent être ses propres fils. Nous avons le cas des rébellions qui agissent sous un commandement, sous le commandement d'un chef responsable, qui sont organisés mhm. et qui agissent de manière concertée, qui affrontent l'armée régulière d'un État. Donc vous avez d'autre part, en dehors de l'armée étatique, les groupes armés organisés comme deuxième acteur. Mhm. Maintenant, je vais vous donner aussi euh, l'exemple d'un troisième acteur dans le cas d'un conflit qui peuvent être les populations elles-mêmes. Dans le cas, par exemple, du droit à l'autodétermination, une ethnie, un peuple, un groupe peut prendre les armes contre son État afin de faire passer certaines revendications. Mmh. Donc, je me contenterai tout simplement de vous citer ces trois groupes qui peuvent être considérés comme les acteurs majeurs d'un conflit. Madame Khadija Abdou Jabarma, vous êtes euh, responsable euh, de la communication du Comité international de la Croix-Rouge. Quelles sont les règles du droit international humanitaire euh, à la question des conflits armés Merci, Monsieur Déji, de m'avoir donné la parole pour, mm-hmm. afin de me prononcer sur le droit international humanitaire. Comme vous le savez, le CICR est le gardien du droit international humanitaire et il assure la promotion du droit international humanitaire, parler mhm. des règles du droit international humanitaire, c'est la première règle dans la conduite des hostilités qui constitue la pierre angulaire du droit international humanitaire pour la protection des civils, c'est la distinction. des combattants ils ont cette obligation de faire en tout temps la distinction entre la population civile, les civils, et les combattants. Et mm. ils ont cette obligation d'épargner les civils. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la précaution. Les combattants, avant de les parties au conflit, avant de lancer une opération militaire, doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'épargner la population civile. Et aussi, il y a cette règle qu'on appelle la, la proportionnalité. Mhm. La proportionnalité, c'est le fait que, on dit, le droit international humanitaire, c'est un droit pragmatique qui reconnaît que la guerre, c'est une réalité et les partis, le droit aussi, le droit international humanitaire n'est pas contre la nécessité militaire. Un État mhm. doit protéger son, son territoire. Donc comment les acteurs étatiques, les partis au conflit doivent avoir l'équilibre entre la nécessité militaire et les considérations humanitaires faire tout pour atteindre cette nécessité militaire en tenant compte des considérations humanitaires. Il y a aussi cette règle qu'on appelle la limitation. La limitation qui dit la guerre aussi a des limites, mhm. qui limite les moyens et les méthodes de guerre. Ce n'est pas tous les moyens, ce n'est pas toutes les méthodes de guerre qui sont permis. Si je donne par exemple le fait de ne pas prendre la famine comme une méthode de guerre, le fait d'empoisonner des puits. C'est pas, ce sont des méthodes de guerre qui sont bannies par le droit international humanitaire. Mhm. Il y a, Incendier des villages Oui, c'est ce qu'on appelle en droit international humanitaire le sans-quartier, mhm. le fait de ne pas avoir de civils, lancer une opération sans avoir de civils. Mhm. Donc, pour résumer, on a la règle de distinction, la règle de proportionnalité, de précaution, de limitation. C'est vraiment pour résumer quelles sont les règles dans la conduite des hostilités. Quelles sont donc euh, les personnes euh, protégées en situation de conflit armé Selon le droit international humanitaire, on a euh, la règle qui dit les partis doivent épargner les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux mm. hostilités. Le droit international humanitaire qui dit les partis au conflit doivent épargner les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités. Si je prends les personnes qui ne participent pas aux hostilités, mmh. c'est la population civile, c'est les civils, c'est le personnel sanitaire aussi le personnel sanitaire et religieux qui accompagne les forces armées, les parties au conflit. Si je prends les journalistes, les journalistes qui sont protégés et qui relèvent de, la population civile de façon générale, les humanitaires toute la population civile qui ne prenne pas part aux hostilités doit, doit, être protégée. Il y a aussi ces personnes qui ne participent plus aux hostilités. C'est par exemple les combattants qui sont hors combat dans le jargon militaire, on les appelle les combattants hors combat, c'est-à-dire ils ont commencé à prendre part, ils ont pris part aux hostilités, mais pour certaines raisons liées à une détresse, par exemple une blessure, par exemple, ils ont été capturés, ils ont été détenus, ces personnes doivent être protégés selon le droit international humanitaire. Et je voudrais aussi mentionner le fait que le droit international humanitaire donne une protection spéciale aux femmes et aux enfants. Mais comment cette euh, protection est-elle euh, assurée Je me réfère euh, à l'article 1 commun aux quatre conventions de Genève qui dit aux États de respecter et de faire respecter les dispositions des conventions de Genève. Respecter et faire respecter, et ça veut dire beaucoup de choses le fait que avant même qu'il y ait un conflit, les, doit, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires mhm. pour euh, prévenir, c'est-à-dire par la ratification des conventions, par euh, l'intégration du droit international humanitaire dans les règles nationales, dans les lois nationales, le fait de former les forces armées, les États ont cette obligation et aussi le fait que dans la conduite des hostilités, ils doivent également respecter la population civile, respecter les victimes. Et au niveau, nous, à notre niveau, au niveau du CICR, les États nous ont donné, pas seulement le CICR, avec les organisations humanitaires, cette obligation de secourir les victimes des conflits armés. Je voudrais parler précisément de qu'est-ce que le CICR fait à travers le mandat que les États lui ont donné afin d'assister et de protéger les victimes des conflits armés. C'est ce dialogue confidentiel qu'on mène avec les acteurs au conflit afin qu'ils qu'il protège la population civile de la conduite des hostilités, ou le dialogue qu'on a toujours avec les acteurs au conflit en détention pour qu'ils, dans les maisons d'arrêt, pour qu'ils protègent, pour qu'ils préservent la dignité et la vie des personnes détenues. Et aussi, si je prends au Niger, le fait qu'on travaille surtout en termes d'amélioration des conditions de détention, à travers des, euh, à travers des activités sanitaires, à travers des activités de nutrition en milieu de détention afin de préserver la vie et la dignité des mhm. personnes. Également, dans la conduite des hostilités, ce dialogue, ce travail que le CICR mène, qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. Vous savez, quand il y a un conflit, les familles sont séparées et le CICR mhm. fait en sorte, à travers le réseau des volontaires qu'on a un peu partout dans 92 pays que le CICR a, le fait que, le, à travers les volontaires des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, le mouvement, il cherche à aider les populations séparées, les familles séparées de leurs membres à retrouver leur famille. Et deux fois, c'est à travers des messages Croix-Rouge, deux fois à travers des réunifications familiales où on facilite leur réunification familiale. Et aussi, en termes d'assistance, le fait que le CICR, si je prends au Niger, le fait que le CICR assiste à travers la distribution des vivres, des biens essentiels de ménage à, aux populations victimes, les déplacés, les réfugiés dans les zones opérationnelles à Difa, Tilaberi et Nortawa. Mhm. Et aussi, toujours en termes d'assistance, le travail pour faciliter l'accès à l'eau potable à ces populations affectées par les conflit au Niger et aussi en termes d'accès aux soins de santé primaires le soin de santé primaire, le fait que dans des zones reculées confrontées au conflit, le CICR a formé des femmes relais pour faciliter, pour sensibiliser les femmes à faire les consultations prénatales, à faire des accouchements assistés et aussi à amener leurs enfants en consultation. Le fait que le CICR euh, réhabilite des centres de santé afin de faciliter, de renforcer leurs capacités pour que ces centres puissent bien euh, assurer la prise en charge des populations qui sont affectées. Alfred Goubadier, président du Rassemblement des acteurs euh, pour euh, la défense euh, du DIH, mais aussi des droits de l'homme, elle a eu à parler de ce que le CICR fait dans le cadre de la protection des civils, dans le cadre de la défense du droit international humanitaire, mais qui est censé garantir cette protection des victimes en situation de conflit armé. Cette question, à mon sens, est une question pertinente puisqu'il s'agit de voir les acteurs qui doivent intervenir dans, euh, si vous voulez, euh, euh, la garantie. En fait, quels sont les acteurs qui doivent garantir cette protection-là aux populations civiles mhm. C'est une question extrêmement importante. Et donc, comme l'a si bien dit Madame la responsable de la communication du CICR, elle a parlé d'abord de, de, de l'État. L'État. Donc l'État, c'est un acteur clé Mhm. dans cette protection des populations. Il est en première position, donc l'État. Nous plaçons l'État en première position parce que aujourd'hui, le RASAPRES, des IHDH, ainsi que tous les autres acteurs, euh, vous avez aussi ces organisations humanitaires internationales telles que le CICR, mhm. ne peuvent pas mener à bien leurs actions sur le territoire national si l'État ne leur accorde pas la possibilité. Mhm. Par exemple, au niveau du et des IHDH, nous avons euh, une autorisation officielle du ministère nous permettant de faire les activités que nous sommes en train de faire, de mhm. sensibiliser la population telle que nous faisons aujourd'hui à Kalango. Donc, vous voyez que il y a cet accord, il y a cette volonté politique. Mhm. Il faut l'accord de l'État. L'État est en première place dans la protection des victimes. Et euh, vous, voyez, de l'autre côté, c'est pourquoi euh, j'ai une disposition ici euh, que je voudrais rappeler, notamment l'article 1 de la première convention de Genève qui dit euh, en substance, je vous cite, que les États ont l'obligation de respecter les règles qui sont contenues dans la présente convention, c'est-à-dire euh, les, conventions de Genève. Mhm. Donc, par cette disposition, déjà, on voit que, puisque c'est une convention, et quand on parle de convention, on parle d'accord de l'État de signer et de ratifier. Et comme l'a si bien dit Madame la responsable de communication du CICR, e l'État du Niger, ou bien les États, sont partis à cette convention-là. Mhm. Donc, si les États eux-mêmes, dans leur propre volonté ou bien dans leur souveraineté, ont décidé de ratifier ces conventions, c'est parce que quelque part, ces États s'engagent à protéger les mhm. populations, à protéger les victimes des conflits armés. Donc c'est pourquoi nous parlons des États à la première place. Maintenant, en dehors des États, vous avez aussi les acteurs humanitaires qui interviennent aussi. L'État à lui seul ne peut pas euh, si vous voulez réaliser ce vaste chantier, l'État, et c'est pourquoi vous avez beaucoup d'ONG aujourd'hui qui œuvrent dans le domaine humanitaire afin de, d'épauler l'État dans l'atteinte de cette politique de protection des victimes. Et vous avez aussi, de l'autre côté, en dehors des humanitaires, vous avez des associations telles que le Raza qui aussi interviennent, par exemple, au niveau du Raza et aussi avec euh, la collaboration de tous ces autres acteurs, notamment le comité international de la Croix-Rouge que j'ai salué au passage, avec lequel pendant euh, des années, si je me le permets depuis 2014 pratiquement, nous travaillons de concert dans la diffusion du droit international humanitaire. voyez, donc ces acteurs également ont un rôle central à jouer en accompagnant les, États. Et ces actions-là que nous faisons, c'est à travers des séminaires de formation, c'est à travers des conférences, débats, c'est à travers des forums, des tables rondes comme celle d'aujourd'hui, et c'est à travers des concours de plaidoirie où nous mettons en, jeu ou en scène des situations appelant l'application des règles du droit international dans des cas fictifs. Donc vous voyez, tout cet ensemble, tout cet arsenal, c'est pour permettre de sensibiliser euh, mhm. les populations sur ces règles du droit international humanitaire, mais pas seulement les populations civiles, mhm. mais aussi les forces de défense et de sécurité elles-mêmes. La récente communication, ici, ça l'a rappelé tout à l'heure. Donc, récemment, avec euh, un certain nombre de, partenaires, nous avons organisé dans la région de, Tawa une séance de formation à l'endroit des FDS pour leur enseigner encore. C'est vrai, elles le font déjà dans les écoles, mais nous, notre action contribue aussi à renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent savoir sur le théâtre des hostilités avec quel réflexe il faut prendre des décisions. Et il faut prendre des décisions sur le théâtre des hostilités avec des réflexes humanitaires, tout en mettant au centre des actions la vie humaine. Parce que je ne vais pas vous le rappeler, à défaut d'interdire la guerre, on peut donner à la guerre un visage humain. Donc tout ceci là contribue vraiment avec le concours de tous les acteurs dont j'avais parlé à sensibiliser les populations mm-hmm. civiles, à sensibiliser les acteurs en présence sur le respect scrupuleux des règles contenues dans les conventions de Genève afin de préserver quelque part aussi la vie des populations, afin d'épargner les civils des effets néfastes des conflits armés. Il faut donc euh, que les règles du droit international humanitaire soient respectées pour que la guerre puisse avoir euh, un visage euh, humain, tout au moins. Mais quand les belligérants ne respectent pas les principes prévus par le droit international humanitaire, est-ce que les forces de défense et de sécurité d'un État, FDS, sont obligées de les respecter Merci, Monsieur Michel, pour une question extrêmement importante. récemment, comme je l'ai dit à Tawa, lors euh, d'un séminaire de formation, cette question était tombée selon laquelle, mais attendez, si euh, vous nous demandez de respecter les conventions de Genève, ainsi que toutes les règles qui y sont contenues, mais qu'en est-il alors des acteurs Si nous, nous les respectons, alors que de l'autre côté, on n'a pas la même réaction, mais qu'est-ce que nous, nous devons faire C'est une question logique, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dès l'instant où l'État est parti aux conventions de Genève, cela veut tout simplement que l'armée régulière de cet État a l'obligation de respecter les conventions de Genève. Même si par ailleurs, l'acteur en face, qui est souvent un acteur dont on ne peut pas cerner le contour parce que quand vous prenez aujourd'hui dans la guerre asymétrique, vous avez de l'autre côté l'armée régulière qui est soumise qui est liée par les conventions de Genève, mais vous avez des acteurs hein, euh, de l'autre côté tels qu'aujourd'hui euh, euh, les groupes terroristes et autres qui n'ont pas surtout ce, regard tourné vers les conventions de Genève, qui ne respectent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc dans cette situation, ce n'est pas parce que ces acteurs terroristes ne respectent pas les conventions de Genève, c'est pour autant que l'armée régulière de l'État ne doit pas aussi se soumettre à ces règles. Elle doit respecter ces conventions de Genève, même si l'acteur en face ne les respecte pas, parce que c'est une obligation que leur impose les conventions de Genève auxquelles l'État est parti. Mais est-ce que ça ne complique pas parfois leur situation quand l'ennemi peut attaquer à tout moment comme il veut, alors que les forces de défense et de sécurité sont obligées de suivre certains principes Malheureusement, c'est en fait ça le problème. C'est ça le problème. Mm. On ne peut pas à cause de ces conséquences, à cause mm. du non-respect de l'autre acteur, permettre aux États qui sont, en fait, permettre à l'armée régulière de cet État qui a ratifié les conventions de, ne pas les respecter. Même si de l'autre côté, les acteurs ne, les respectent pas et qu'il y a des conséquences, je pense que on est obligé de les respecter parce que ce sont des accords auxquels l'État en question est parti. Et par conséquent, donc on ne peut pas s'y dérober. Madame Kadeja vous dites euh, Pour mhm. compléter par rapport à ce que le président vient de dire, le fait aussi que le droit international humanitaire ne limite pas l'action militaire. Mhm. Ça contribue au professionnalisme de l'action humanitaire. Et aussi rappeler ce principe de non-réciprocité, parce que les règles du droit international humanitaire sont devenues même des règles coutumières qui sont, qui sont obligatoires. Et le principe de non-réciprocité est vraiment en vigueur et d'actualité. C'est parce que c'est pas parce que l'autre parti ne respecte pas que moi aussi je dois pas respecter. Et le fait que par exemple je prends les forces de défense et de sécurité mhm. sont des forces républicaines et comme l'a dit bien dire le président Alfred, mhm. le fait que l'État a signé des conventions, ils doivent se conformer aux, doivent honorer les engagements de leur État. Bien sûr. Alors à ce niveau, on voit que euh, dans certaines euh, situations de conflit armé, on voit des destructions massives des biens chèrement acquis, parfois pendant des années, sinon mhm. des décennies. Ces mhm. biens peuvent appartenir à des individus ou à un État ou à des États. Mhm. Que dit le DIH à propos de la protection de ces biens pendant une situation de conflit armé. Merci, M. DG. Juste noter pour euh, comment le droit international humanitaire protège euh, les biens civils. Le droit dit les parties doivent en tout temps épargner les biens civils. Parmi ces biens civils, c'est tous les biens qui sont de caractère civil le fait que les partis, doivent faire vraiment cette distinction. Je vous ai parlé plus haut du principe de distinction qui dit de distinguer les populations, les civils des combattants. Mhm. Et aussi ce droit, cette règle de distinction dit de distinguer les biens civils des objectifs militaires. Donc de faire une distinction claire entre les objectifs civils et les objectifs militaires et les biens civils. Et par rapport aux biens civils, c'est tous ces biens-là. Par exemple, je prends les hôpitaux les hôpitaux, ils doivent être protégés. Je prends les lieux de culte, les mosquées, les églises, ils doivent être protégés. Les lieux de culture, les universités, les écoles, les bibliothèques, ils doivent être protégés. Et leur portée atteinte constitue un crime de guerre qui est réprimé, qui est sanctionné par le droit national et aussi par le droit international, au niveau international aussi, qui est sanctionné au niveau national et au mhm, niveau mhm. international. Et je prends aussi tous les biens qui sont essentiels à la survie de la population civile, c'est-à-dire les récoltes. On ne peut pas détruire les récoltes. Les biens, les marchés, on ne vient pas détruire tout ce qu'il y a dans un marché. Donc oui, le droit international humanitaire protège selon ce principe de distinction, vertu de la règle de distinction, les biens civils. Et comme je l'avais dit, les partis doivent faire en tout temps la distinction entre les biens civils et les objectifs militaires et épargner les biens civils. je euh, merci, compléter, euh, merci. oui. Je vais compléter Madame Khadija. Mhm. Euh, oui, relativement à la question des biens, je voulais juste ajouter aussi, il y a mhm. la question, si vous voulez, des, canaux d'eau. Mhm. souvent dans certains conflits, comme c'est le cas, par exemple, à, euh, Difa, par exemple, on peut assister hein, à des puits qui sont fermés, à des puits qui sont, si vous voulez, complètement. Euh, euh, en fait, donne l'accès et mm-hmm. interdit aux populations. voyez, ça, c'est par exemple un bien vital aux populations mm-hmm. qui, en aucune manière, selon les règles du, du droit international humanitaire, ne doivent être touchés parce que c'est un bien vital pour la survie des populations. Elle a parlé du cas des écoles. Par exemple, les écoles ne doivent pas être attaquées. Vous voyez Donc, parce que c'est un ensemble d'arsenal, un ensemble de biens qui permet aux populations de survivre. Mais maintenant, je voulais tout simplement relever aussi cet équivoque. Quand un bien civil se transforme en objectif militaire, alors là, ou bien si vous voulez, quand, euh, par exemple, euh, une partie, si vous voulez, ou bien les mhm. civils eux-mêmes, ok, participent au conflit. Quand, par exemple, des, civils prennent les armes et restent, par exemple, dans ces écoles. voyez Donc, cette école, par exemple, où se cachent des combattants, peut faire l'objet d'attaques. Donc, vous voyez, vraiment, c'est une question extrêmement sensible. C'est pourquoi on interdit aux populations civiles, afin de jouir des protections que leur accorde la Convention de Genève, de ne pas participer, de ne pas prendre part au conflit. Mhm. Nous avons donné la définition des civils. C'est ces personnes-là qui ne participent pas au conflit. Et par conséquent, si les civils prennent les armes, alors elles peuvent faire l'objet d'attaques et par conséquent, elle devient un objectif euh, militaire. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question. Pour que tous ces biens soient respectés, il faut bien qu'au niveau de toutes les parties, que ces dispositions soient bien connues et qu'elles soient respectées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse avoir une situation beaucoup plus améliorée Toutes les parties au conflit que ce soit les forces régulières, que ce soit les groupes armés organisés, ils ont cette obligation de respecter le droit international humanitaire, de respecter tout ce qu'on vient de dire, les règles de la conduite des hostilités, la distinction entre les biens civils et les objectifs militaires, la distinction entre la population civile et les combattants ils ont cette obligation de respecter le droit international humanitaire. Que faire lorsqu'il y a des organisations terroristes, par exemple, euh, qui ne respectent pas ces dispositions, Président euh, Merci, Monsieur Michel, pour cette question aussi extrêmement importante. Euh, le défi aujourd'hui, justement, et c'est d'ailleurs pourquoi les forces de défense et de sécurité euh, évoque la question de la réciprocité ou bien se plaignent du non-respect par les acteurs euh, terroristes des conventions de Genève ou bien des règles de droit international humanitaire. C'est ça le défi. Mhm. Amener tous les acteurs à respecter les conventions. Aujourd'hui, pour ce qui concerne euh, l'État ou bien les armées régulières des États, la question, si vous voulez, aujourd'hui est quelque part résolue puisque à travers toutes les actions que nous faisons, au niveau du Raza Press, à travers toute l'action que les organisations humanitaires telles que le CICR font, nous arrivons à atteindre les forces de défense et de sécurité dans des séminaires, dans des conférences, dans des ateliers, dans des colloques, où ils reçoivent, si vous voulez, des formations appuyées en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire en circonstances de conflits armés. Mais maintenant, qu'en est-il des autres acteurs Voilà toute la question. Et c'est là le défi aujourd'hui. Comment amener ces acteurs à les euh, respecter Je suis optimiste je suis convaincu euh, que certainement, certainement, on va pouvoir, si vous voulez, euh, toucher tout le monde à travers ces actions de sensibilisation. Certainement que toutes ces actions sur les médias, toutes ces actions de sensibilisation vont certainement les atteindre afin de leur dire que oui, les règles du droit international humanitaire s'imposent à tous et par conséquent, tous les acteurs à un conflit doivent les respecter. Si tous les acteurs respectaient les conventions ou les règles, croyez-moi, nous allons donner à la guerre un visage humain. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas interdire la guerre. Mais à défaut de l'interdire, on peut lui donner un visage humain. Prenez un exemple tout banal. Si par exemple, comme l'a si bien rappelé la simple communication du CICR, les lieux de culte, les églises, les mosquées, les points vitaux ne doivent pas être touchés parce qu'ils sont des biens civils, si tous les acteurs les respectaient, regardez le visage auquel, en fait, le visage euh, que prendrait la guerre. Vous voyez. même si on ne respecte pas ces principes simples, la guerre deviendra un moment de frustration, de conflit, de douleur, de souffrance pour toutes les populations. Mais si la guerre se limite uniquement aux acteurs qui sont sur le front, vous voyez, on a épargné les civils, on a épargné la vie des innocents. voyez. Donc, vraiment, euh, le combat de l'autre côté, c'est d'amener tous les acteurs à donner ce visage humain à la guerre. Et cela nécessite, cela passe forcément par l'implication de tous les acteurs, sans exception. L'État, les acteurs humanitaires, les parties prenantes elles-mêmes au conflit, les forces armées en présence, tout le monde. Si chacun met du sien, je vous assure, nous allons limiter les dégâts néfastes, éviter les effets collatéraux des conflits armés. Ça veut dire qu'on peut arriver à un stade où même les organisations terroristes pourraient respecter ces dispositions. En tout cas, c'est notre souhait. Merci à vous. Et on le sait bien, dans une situation de conflit armé, il y a des signes euh, distinctifs euh, qu'on voit certaines euh, personnes porter, les emblèmes que peuvent porter certaines personnes donc pour être protégées. Quels sont ces différents emblèmes Madame Kadiria Abdou, responsable de la communication au niveau du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Merci, Monsieur Deji. Par rapport au signe distinctif, l'emblème de la Croix-Rouge. Selon le droit international humanitaire, l'emblème de la Croix-Rouge est un signe protecteur, un signe protecteur des personnes. Si je prends le premier titulaire de l'emblème de la Croix-Rouge, c'est les services santé des armées, le mhm. personnel sanitaire des armées. Il doit être protégé selon le droit international humanitaire. C'est aussi le personnel sanitaire civil, que ce soit de l'État des parties au conflit, qui arborent l'emblème de la Croix-Rouge, toute la mission médicale. Si je prends les ambulances, les, hôpitaux, le personnel qui arbore l'emblème de la Croix-Rouge, ils doivent être protégés. Et le comité international de la Croix-Rouge, les membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui arborent l'emblème de la Croix-Rouge, doivent être protégés selon le droit international humanitaire. Mais c'est pas seulement l'emblème protecteur. Si je prends dans la conduite des hostilités, les lieux qui sont classés comme patrimoine mondial de l'humanité, les biens qui ont une certaine importance pour la communauté, ils doivent arborer un emblème spécifique. Ces biens doivent être protégés. Il y a aussi l'emblème de, de la protection civile les sapeurs-pompiers communément appelés, ils doivent être protégés, ils ont leur propre emblème, ils doivent être protégés selon le droit international humanitaire et aussi dans des zones des installations qui ont des forces dangereuses, par exemple des centrales, là où il y a des centrales eh, électriques, des centrales nucléaires, ils doivent arborer un signe distinctif et ils doivent être protégés selon le droit international humanitaire. Tous les humanitaires aussi, mm-hmm. tous les humanitaires, tous les humanitaires que vous avez, vous connaissez, qui ont leur emblème sur le champ opérationnel, doivent être protégés comme faisant partie de la population civile. Président Alfred Goubadier, quelle est l'importance euh, de ces différents emblèmes euh, qu'elle vient de Merci, monsieur Michel, pour cette question. Un emblème, si vous voulez, de manière générale, ou bien un signe de manière générale, mhm. permet de pouvoir identifier une personne. Aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, des corps professionnels mhm. qu'on peut facilement identifier, distinguer par des signes dont ils portent. Mhm. Quand vous prenez un médecin, dès que vous voyez le monsieur ou bien la dame avec sa blouse, vous savez que c'est un médecin. Quand vous voyez un avocat avec sa toge, vous savez que c'est un avocat. Donc, vous voyez le signe, quelque part de manière générale, à cette vocation de distinguer, d'identifier des personnes. Mhm. Mais revenons de manière plus euh, particulière à la question des emblèmes. Ces emblèmes permettent, sur le théâtre des hostilités, mhm. de distinguer qui prend part au conflit et qui ne prend pas part. Parmi ces personnes, comme l'a si bien rappelé la de communication du CICR, vous avez le personnel sanitaire. Aujourd'hui, le médecin, dès que vous voyez euh, ce, signe distinctif, cette croix rouge, vous mm. savez que c'est un médecin. Mm. Donc, cela veut dire quoi Cela veut dire que les belligérants, dès qu'elles voient ce signe, doivent comprendre que cette personne n'a rien à voir avec un conflit, mais elle est là de manière neutre pour sauver des vies. Elle est là pour soigner des vies. Que ces victimes soient du côté de l'ennemi, si je peux me le permettre, ou bien du côté de l'armée régulière. Mhm. Vous voyez, donc en fait, le médecin, lui, il n'a pas de parti pris. C'est la même chose pour le journaliste. Vous, les hommes de médias, vous devez être protégés. Parce que vous êtes là pour porter l'information aux populations. Le droit à l'information, est un droit fondamental qui est garanti par la conscience et par les instruments juridiques internationaux. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, nous, les journalistes, vous ne devez pas être l'objet d'attaque parce que vous êtes en train de couvrir l'élément afin de passer l'information aux populations. Vous voyez. Hmm. Donc, le signe, quelque part, par exemple, tout à l'heure, euh, la responsable de communication l'a rappelé, à travers votre, euh, votre badge professionnel, on peut vous identifier. Vous voyez, on peut savoir que tel est journaliste. Il n'a rien à voir avec le conflit parce que, donc, par ce conséquent, vous ne devez pas faire l'objet d'attaque. Vous avez aussi de l'autre côté un certain nombre de personnes, telles que les personnes religieuses, par exemple. Hum. Ces personnes peuvent porter des signes religieux dès que vous voyez, vous savez que c'est un religieux, par exemple. Cette personne ne doit pas non plus. Donc, en résumé, les emblèmes, sans pour autant rentrer dans les détails tels que l'a rappelé euh, la simple communication, les emblèmes ont pour vocation d'identifier les personnes sur le théâtre des hostilités et les protéger surtout, les identifier et les protéger. C'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour que ces personnes ne fassent pas l'objet d'attaques parce mhm. qu'elles ne sont pas parties prenantes au conflit. Des personnes neutres. Des personnes neutres, bien sûr. Mhm. voyez donc voilà l'objectif, si vous voulez, c'est vraiment garantir la sécurité et la protection sur le théâtre des hostilités. Madame Khadija Abdou, est-ce que sur le terrain, le respect du port euh, de ces emblèmes et toutes les dispositions qu'il faut pour que euh, tout se passe conformément aux dispositions du droit international humanitaire euh, sont respectées Ok, juste noter par rapport à la protection de l'emblème en 2006, à travers une loi, l'État du Niger a pris une loi pour protéger mhm. l'emblème de la Croix-Rouge au Niger. Mm. Et à travers cette protection, on a le premier tutelaire, comme je l'avais dit, c'est les services de santé des armées, identifier les membres du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et aussi garantir la protection sur le champ opérationnel comme signe protecteur. Et en termes de les gens qui utilisent l'emblème de la Croix-Rouge pour tromper la vigilance de l'autre partie, ça a été prévu par le droit international humanitaire. Cet acte constitue une infraction de droit international humanitaire qu'on appelle la perfidie. Mhm. Et normalement, ce qui doit être poursuivi, non seulement au niveau national, à travers, euh, dans le code pénal nigérien, la perfidie constitue une infraction de droit international humanitaire hein. et un crime de guerre. Et aussi, quand je prends au niveau international, les gens pourraient être poursuivis pour des infractions de droit international humanitaire, hein, hein. notamment les crimes de guerre. Et que disent euh, les conventions de Genève, spécifiquement pour euh, le cas des humanitaires euh, par rapport aux situations de conflit armé Merci, Monsieur Diji. Selon les conventions de Genève, les parties au conflit doivent faciliter l'acheminement des secours humanitaires. Ils doivent ils doivent faciliter l'accès des humanitaires aux populations victimes, parce que ce sont des personnes neutres qui ne prennent pas part, qui ne font pas partie du conflit, des conflits. Ils doivent être protégés, ils doivent les États ont cette obligation, ou bien les partis ont cette obligation de leur faciliter l'acheminement du secours humanitaire. Avez-vous un appel euh, pour terminer dans ce sens, euh, Madame à mon niveau, c'est un remerciement, un mhm. remerciement et une pérennisation de ces genres d'actions, mhm. de vulgarisation du droit international humanitaire parce que ça contribue à la connaissance du droit international humanitaire, ça contribue à la promotion du droit international humanitaire en vue de la protection de la population civile. Alfred Goubaye, président du Raza DH, DH, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Un mot pour terminer. Pour terminer, c'est tout simplement de remercier le studio Kalangu pour vraiment cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir sensibiliser tous les acteurs quant à la nécessité du respect du droit international humanitaire. C'est ça notre vocation. Sensibiliser les uns et les autres, sensibiliser les acteurs sur l'importance du respect scrupuleux des règles du droit international humanitaire. Mhm. Je voulais aussi euh, remercier euh, tous nos partenaires, notamment euh, le Comité international de la Croix-Rouge CICR et toutes ces autres institutions aussi avec lesquelles nous travaillons dans la diffusion du droit international humanitaire. Et pour terminer, c'est d'appeler ou bien d'inviter de, les populations civiles à plus de neutralité dans un cas de conflit armé. Parce que quand un civil prend les armes, il perd la d'abord il perd la qualité de personne civile et conséquemment mhm. perd la protection que lui accordent les conventions de Genève. Merci. Chers auditeurs, euh, nous sommes euh, au terme euh, de ce forum du studio Kalangu qui a pour thème la protection des victimes dans les situations de conflit armé, quelles mesures et obligations impose le droit international humanitaire DIH aux parties en conflit. Nous retenons que le droit international humanitaire a des règles qu'il faut respecter pendant toute situation de conflit. Il appartient donc à toutes les parties en conflit de respecter ces dispositions prévues dans les conventions de Genève visant donc à atténuer les conséquences désastreuses de la guerre. Nous étions en compagnie du président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme Raza Press DHDH et de la responsable en communication du comité international de la Croix-Rouge au Niger, Madame Kadija Abdou Zabarma, chers invités. Merci d'avoir répondu présent à cette euh, invitation du studio Kalangou. Merci aussi à nos nombreux auditeurs qui nous ont suivis au micro. C'était Michel Deji pour la présentation à la technique et Salaolir. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du forum de Studio Kalangou. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.